salaamaaleykum chers internautes yu Caaroy Info TV dal leen ak jàmm seen émission profil tey ñu am mbégte kontante dalal ki nga xamante ni moom moo di monsieur le maire bu Djiddah Thiaroye Kaw docteur Cheikh Dieng nekk maire bu kenn dootul présenté waaye it nekk candidat bu coalition wala Sénégal bu ville de Pikine bala ñëw rek xuus si waxtaan bi dañuy bàyyi ki nga xamante ni moo di sunu invité tey nekk invité bu am dayo mu présenté wu nuyoonteeg ñi nga xamante ni ñoo di mbokki internautes yu Caaroy Info TV euh, monsieur le ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziare a Ndiaye euh, may daja may daja ak wa Thiaroye Info di di sama wa koñ si si je puis dire parce que ñun ñoo bokk Thiaroye donc euh, di len nuyu di len ziaré di nuyu donc euh, toutes les populations du département de Pikine les populations de Thiaroye les populations de Djiddah Thiaroye Kaw donc di donc et au-delà de donc ñi nuyu toutes les populations du Sénégal di nek biir réew ak bitim réew donc ñi am opportunité di ñu seetaan ci vidéo bi ñu fas a def. Euh, di ko jaajëfal bu baaxa baax moom docteur Cheikh Dieng comme niñu ngeen koy amé saa su Amadou ñi ngi di leen présenter li nga xamante modi émission profil euh monsieur le maire Cheikh Dieng tay buñ la doon laaj kan moy docteur Cheikh Dieng ana lan nga ñu mëna tontu. alors kan moy docteur Cheikh Dieng doomu doomu ji Thiaroye Kaw la mu nekk ko xamni sama cycle primaire maa ngi ko defee école Pikine 14 nekk euh, ci ci côté marché Sam donc euh, je suis amee en en sixième donc militaire at bobu concours série sur le gâteau en étant le major de promotion sur ce concours très sélectif sur la plus grande école secondaire donc du Sénégal donc def juróom-ñaari at prytanée militaire amee fa baccalauréat dem euh, admis concours école nationale des cadres ruraux de Bambay donc j'ai fa at am le diplôme d'ingénieur des travaux des eaux et forêts fa donc ñu affecté ma direction des eaux et forêts ma fait fa ñaari at def le concours professionnel donc qui m'a permis donc mu dugg école nationale supérieure d'agriculture de Thiès donc école nationale supérieure d'agriculture de Thiès aussi ma fait fa at am le diplôme d'ingénieur agronome spécialisé en économie rurale donc delluwaat direction des eaux et forêts jàngaat liggéeyaat ñaari at donc opportunité décrocher une bourse donc euh, de formation dem faculté universitaire des sciences agronomiques de jamblo en Belgique def y le DEA diplôme d'études approfondies en statistique et informatique appliquée donc faut fa vous aussi na ci taxaw parce que c'était l'occasion à partir de ce moment, Simis Klein n'est la plus grosse industrie pharmaceutique donc, euh, à travers le monde, propose, proposer un contrat à plusieurs millions pour qu'en tant que statisticien, donc, je me, ligué à Bruxelles, Mani, gouvernement du Sénégal, peuple sénégalais, d'investir dans éducation, école primaire, Britannique militaire, école nationale des cadres ruraux école nationale supérieure d'agriculture de Thiès. ba la bourse belge c'est quand même un don au peuple sénégalais donc nous vais aussi une formation de DA statistique donc pendant plus de 15 années de euh, d'éducation et de formation peuple sénégalais assuré que ma un diplôme prisé le DA de statistique et informatique appliquée dem di américains ay américain Sénégal je refuse je retourne au pays euh, à la direction des eaux forêts donc nous ñu comme le chef du bureau d'économie forestière euh, ma y fa quelques mois rek donc j'ai eu l'opportunité quand même Banque mondiale donc je comme euh, un expert national donc chargé de programme affectement qui donne un projet de gestion durable et participative des énergies et de substitution ma y fa ñaari programme le programme donc de système d'information écologique forestier et pastoral y a également le programme de gestion de la diversité biologique donc euh, ci ci bir projet aussi la opportunité une bourse de la Banque mondiale donc dem à à Freiburg en Allemagne donc une Faye bi ma def fa wax le PhD mooy mooy doctorat en environnement et donc bi ma fa jógee donc ñëw liggéeyaat quelques mois encore euh, en fait liggéeyaat pendant pendant deux trois ans comme expert de la Banque mondiale Le président Abdoulaye Wade donc euh, identifié à travers donc des échanges professionnels nommé ma son conseiller technique en environnement ma def foofu ñeenti at mu nekk l'école pour moi, la meilleure école la meilleure université que j'ai fréquenté que pendant quatre ans qui est par Wade dans ça, sa euh, li ñuy wax sa task force chaque jour maintenant, chaque jour tous les jours donc suis avec le président Abdoulaye Wade donc d'appréhender la manière bi gère gérer pays bi di ko ci jox dans le même temps donc en 2014 donc aussi docteur Cheikh donc nous présentons comme mais comme candidat à la mairie de la commune de Djidda les populations nous ont fait l'honneur, nous fallu, donc depuis 2014. Donc, Manek, en même temps, le maire de la commune de Djidda Tcharekau, Boleko Ak, mon travail professionnel de consultant international en environnement, en spécialisation qui changement climatique. am l'ex-président de la République euh, maître Abdoulaye Wade politiquement boo amoon leen la nga xamante ni yaakaar nga ni tey boo nekkaatoon ci ronam wala mu toogoon Sénégal di nga ci gën a bayaat sa waar ci moom lan lay doon. président Ablaye Wade géej li bu dul jeex. du point de vue du savoir intellectuel d'abord balaa muy dem France chaque jour daf ñu doon woo am na benn club bu ndaw bu mu doon woo ñoo yendu du lundi jusqu'au vendredi chaque jour tu te rends compte que xamagoo dara ci Ablaye Wade parce que tey. ci walu histoire politique du Sénégal la wax suba ñu wax ci walu euh, histoire du PDS en tant que tel donc moom ay jaar-jaaram ginnaaw suba ñu wax ci Senghor ginnaaw wat suba ñu wax ci Algérie wax ci donc les luttes de libération donc de de la de la Guinée euh, du Cap-Vert fu ci nek tu te rends compte de la de la grande dimension panafricaine du président Abdoulaye mais de sa science en matière d'environnement, Bima bi il jàng gisaay mu génn ci ay idées yoo président Abdoulaye est ce que yaakaar Dani, ni xam-xamu ci wàllu environnement talul fii ci wàllu histoire de l'Afrique, etc. et cetera mais surtout surtout lo xamni président Abdoulaye wat dang nga koy jël ci mom moy xol bi am ci Sénégal xol bi mu am ci Afrique yéene bi mu ci am

parce que bi wuti mairie de da un programme de ko population yi c'est un premier objectif c'est l'éducation parce que j'estime que nous sommes une génération sacrifiée dans la banlieue avec le système éducatif tel qu'il existe surtout dans la commune de Djidda parce que moi, c'était, ba dans des effectifs de plus de 100 élèves par classe classe bi gën effectif 107 élèves am classe de 137 élèves pour une population de 140 000 habitants nous n'avons que 7 écoles primaires publiques les investissements en matière de bâtiments pour l'éducation de nos enfants sont très très en retard par rapport à la croissance démographique par rapport à l'accroissement des effectifs des établissements scolaires nous mel man priorité deuxième priorité qui est aussi qui a, peut-être aussi un rang aussi important que l'éducation mu lutte contre les inondations amélioration du cadre de vie parce que nous sommes dans une commune de xamné donc c'était dans l'obscurité totale nous, keroog bi fenk ñun jant bi c'était notre seul moyen d'éclairage public dans la commune de Djeddah mais surtout ñu sommes dans des situations d'inondation Nous, suñu kër biñ situations où nous inondation mo ñu fa chaque année dans des situations où des centaines de familles ndox mi fay nungu sen kër ñu leen di loger ci école primaire durant deux mois dans bu école Oubi. ubi. ñiy woo ay gémi ñiy sànni nit ñi grenade moo doon génne nit ñi ci biir ci biir école yi loolu nekkoon lu metti sama sama xol lool man lii dinaa ko fi jëlee ci kàttanu yàlla alors en matière d'éducation ñu def ci quand ay efforts yu am solo commencer pour dire euh, dire que peut-être état moo war a tabax ay classes parce que ce n'est pas le rôle des maires nous ñuy suppléer ces carences de de de de l'état euh, remplacer l'État. Si vous ma à tabax ay classes agir sur la qualité de l'éducation 2015 chaque année nous def des cours de vacances municipaux gratuits au début on avait 1000 élèves on a plus de 4000 élèves chaque année donc mairie moi, organisé cours de vacances gratuits au début nous nous appuyons sur des étudiants depuis les deux dernières années les maîtres c'est classe la classe yi ñuy classe, programme soumettre donc à l'inspecteur de euh, à l'inspection de l'éducation et de la formation ba ñom ñu valider ko ñu doga enseignement ci ci les deux mois de cours de vacances chaque classe bo xam dafa nek année d'examen ni de ñuy wat maîtrise ñi ni cours de vacances nous avons ñu un programme également de défarar une école toutes les toilettes des écoles primaires publiques de nañ leen ba boo gisee bu Salif Ndong nga dans un état de délabrement avancé ba toilettes dans daanu des liens a raser à côté d'autres boxes de toilettes yoo xam toilettes filles, toilettes garçons, toilettes enseignants. tu as raison loolu lépp dañ ko mesurer son impact sur le sur les résultats scolaires yooyu résultats du man maa koy génne inspection de l'éducation et de la formation moom moo koy ces résultats en 2014 nous à mairie et la commune est avant d'arrêter le département. 15e sur les 16 communes en termes de résultats scolaires. nous sommes 2e Depuis cette année, nous sommes la meilleure commune, les meilleurs résultats. Nous sommes premiers dans le département. pour les 16 communes qui composait donc la, euh, le département de Pikine ni donc ces efforts soutenus ont nañ njeexital qui ci et en plus de ça depuis depuis nous nous commençons à ay élèves qui sont admis dans les concours sélectifs comme maria Mba comme l'école comme l'école de l'école d'excellence de durbel comme le prétendu militaire on ni kon vraiment effort non seulement amener des résultats en termes du du relèvement de niveau de masse mais également amener un ay qui les élèves les meilleurs nous parvenons à à produire des élèves qui sont parmi la crème donc euh, scolaire euh, du du du Sénégal l'une de mes plus grandes fiertés parce que dafa nek lo xamni dama ko defon objectif yalla may ñu boobu objectif ñu atteindre. lu di fàttali mbokki internet yi ñu ngi tewlu jamono ji profil ñu dalal nak ki nga xamanteni modi monsieur le maire docteur Cheikh Dieng docteur Cheikh Dieng ñu nek ci jamono yi élection nga nek euh, li nga xamanteni mom modi maire sortant bu Djiddah Thiaroye Kaw euh, tey yaa ngi laaj ak coalition walu Sénégal li nga xamanteni modi ville de Pikine ana lan mom mo motiver sa candidature bobu alors c'est une candidature qui est motivée par d'abord ambition. bi am ci la ville de Pikine parce que damaa bokk ci ñi naan Pikine les cadres de Pikine doomu Pikine ñoo koy defar defar Pikine xaaruma ci Macky Sall xaaruma ci Ablaye Wade yaakaaruma ci Karim Wade doomu Pikine mooy defar Pikine il faut que nu croyons en nous parce que am nañ le potentiel d'expertise nécessaire boo xam ne boo ko mobiliser mu dem Pikine donc le d'ailleurs moi, waral le premier axe programmatique bi définir le programme Walu pékin c'est une gestion qui inclut des experts qui inclut les toutes les composantes du département de Pékin moi je suis politique moi xam nga bokk PDS la coalition moi je suis politico wala bokkoo coalition Walu, la coalition ci beneen parti élection bu jeexee ñun on doit se retrouver autour de ce que j'appelle donc le conseil communal le conseil consultatif de la ville conseil conseil consultatif, de l'organe, organe bu am à côté du conseil municipal dafay un organe d'orientation et un organe également de reddition des comptes Nous ñom bala ñuy budget bi conseil municipal ñom dinañ dinañ leen wo laaj seen xalat ñom defuñu politique lu ñor développement au Pikine nous avons des les politiques nous avons donc les investissements qu'il faut programmer donc sur le budget de 2022 déjà bu ñu décembre 2022 janvier 2023 nous avons les leen lii lañ le budget les lañ ci exécuté compte Nous nous nii valider par conseil municipal pour le vote du compte administratif je pense que c'est déjà un exercice de transparence mais aussi un exercice d'inclusion donc bépp doomu Pikine mën na gis sa cette cette cette ambition pour Pékin dañ une vision une vision bâtie autour de trois axes programmatiques la sécurité dafa doy nous banditisme nous avons conçu un programme qui permettra résolument donc de prendre en charge d'attaquer la question donc de la sécurité dans notre département. Deuxième aspect mu la question de la modernisation de notre ville en termes d'infrastructures, d'équipements, aux équipements euh, d'équipements sociaux le département de Pékin nous mu tardé Beaucoup de jëlee ci santé il hôpital a un hôpital de Thiaroye qui fonctionne quasi comme une clinique ñaari centre de santé euh, la ñu am muy bu Mbao ak bu Baytaala bi or beaucoup de gens ci norme OMS yi tey nañu cinq hôpitaux généraux pour une population de 8000 habitants dans le département de Pikine On nañu am centres de santé là où nous n'en avons que deux nous, on attaquera résolument cette problématique d'accès donc à des équipements de santé modernes mais aussi à des équipements donc de promotion des populations la question donc de la des postes de santé qui, relèvent des communes où tu ou ci programme nous, chacune des 16 communes durant le mandat d'une am son poste de santé en sept ans Timbo ben ben dispensaire la tabax ci biir ci biir ci mais également euh, dans chaque commune une maison de la femme un lieu d'expression et un lieu de promotion donc du développement des femmes nos nos grandes routes on va attaquer le problème Tay boo jaaree Tëli Diallo sa xol day metti boo jaaree Teli Tëli ça, Jaara sa xol day metti Tali mais qui est un axe extrêmement important pour la circulation urbaine. Mais Danganan, je suis, je suis dans quel pays Alors que nous sommes la deuxième ville du Sénégal. Donc cette question de la modernisation de nos infrastructures donc est attaquée directement. les artistes, je suis en débat un des candidats maire ni ma hankay Pikine centre centre socio-culturel mom moy bu Léopold Sédar Senghor man ni me voilà mais ce candidat candidat amuñu ambition bo jëlee Léopold Sédar Senghor nii centre culturel bi bi les acteurs culturels mérités dans le département de Pikine au regard du bouillonnement artistique de la valeur de nos artistes yow nga wara xép Sorano nga war a euh, euh, les plus grands centres culturels de ce pays nga naan ah kay am centre culturel moom mooy moom mooy pour Léopold Sédar Senghor nga xam ni amul ambition pour le département de Pikine nous nous pensons que les artistes du département de Pikine nga donc dafa bari ay jeunes du département Gaham xam loolu lañ gëm ci aar bi la ñu dund ci lañ yaakaar war nañ leen ay euh, donc euh, une un complexe donc qui répond à à seen aar toll et qui permet la promotion de l'art et de la culture dans le département de. monsieur le maire euh, dañ lay baye nga sétane ben micro trottoir après ñu dikk ak yow ci ay waxtaan. est-ce que vous avez maire fi M. monsieur bon xam naa ko c'est quelqu'un de bien c'est quelqu'un boo xam ne tamit mi ngi ci Euh, gox bi di fi jàppale ay jeunes di fi jàppale aussi ñi nga xam ne tey jii nii comme ay bàjjenu gox yeeg tamit ñi nga xam ne aussi ñu ngi fii au niveau di Djiddah Thiaroye Kaw. Cheikh Dieng a ah, nekk na nit ku baax moom maire maire maire boo xam ne ba mu fi nekkee ba léegi gis nañ lim def si si si Djiddah Thiaroye Kaw bari na lool te tamit lim def si Thiaroye yaakaaruma ne dinañ amaat maire bu ko def quoi. Hmm. donc ñu doon laaj tey soo bi moom gis naa ne waaw lépp li nga xamante ne nii digoon nañu ko ci depuis 2014 ba léegi même bu dee doxalu ko à 100 cent mun naa ne doxal na ko à 90 pour cent. ah macha allah mi ngi defar mi ngi liggéey mi ngi liggéey macha allah. mi ngi defar ji caare kaw bu baax parce que man jox sama doom la fi la nekk moo xale yëpp sama doom yu jigéen yi aussi moo leen jëloon yóbbu leen ñu dem defe ci formation. mais lan la ñu mën a dollil après bu ñu ko fi tegaat waaw loolu moo nekkoon sama question bi nga xamante ni nii mën naa ko posé. question bu ma koy laaj euh, mooy que ne incha allahu rabbi bis bu ko yàlla mayee ndam ci mairie euh, ville de Pikine bi nan la fas yéene taxaw pour que euh, jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk au niveau de Pikine. micro trottoir baa ngoog tey nga toog euh, ñu def micro trottoir laaj askanu ci décaare kaw euh, lan ngeen xam si Cheikh Dieng naka ngeen gisee bilan nga dégg ñu wax lii loolu lan la lay def. mais de la satisfaction parce que dama doon xaar ñu ne Cheikh Dieng duñ ko gis sur le terrain parce que nekk na critique boo xam ni bari naa lu ma koy dégg te ma nangu parce que je considère que dafa am période bu ñuy politique ak période bu ñuy liggéey campagne électorale. da ngay nekk tous les jours sur le bu ñu la falee nag falu ñu la pour nga wër di taxawaalu ci mbedd yi dañ laa faat pour que la nga jëloon engagement nga respecté ko moo taxoon ma toog di orienté di menacé di liggéey ba tey ku dëkk ji de caare kaw te wax te yàlla rek tax deux mille 2014 nga gis ni sunu commune meloon ci wàllu lëndëm ci wàllu inondation ci wàllu tumuraanke xale ci wàllu santé nga xam ne poste de santé boo fa demoon mercure au sax mënu ko faa gis. 2014 c'est demone si ben poste de santé Lui, luy euh, lui alcool sax mënu ko chaque année nous def une subvention aux pharmacies tay amatul ben rupture de médicaments sur les pharmacies génériques mais nous koy def subvention bo xamni ni pharmacie bi ko jaayé dañ koy wat ci sen fonctionnement quand tay ma am fierté me

tàmbali dañ liggéey ñu ngi ci yoon liggéey bi nag du Cheikh Dieng kooku vraiment damay dama ci bëgg leeral aussi équipe municipale ay doomu gox bi la tey dafa am li wax commission éclairage public ay doomu gox bi yor ko Assane mi dëkk Moustapha jiite ko ñu am équipe àll et marché euh, ku mel ni Mamadou Kalil bi dëkk ñetti mbaar jiite ko ñu am équipe euh, euh, santé am am ba beneen doomu gox bi bi ko jité Fatou Bintou ñu am équipe environnement Ibrahima Sanya, bi est euh, Touba Thiaroye mais vraiment and ci ak Pape sar ñu ciy liggéey bu rafet au niveau de Bagdad au niveau de Léona au niveau de toutes les zones où on a des problèmes d'inondation où on a des problèmes de mise en place de réseaux de drainage etc. Une def et cetera équipe d'éducation qui est bi étendre léegi

bagn fal leen conseiller dañu accepter assumer bobu boobu fonction liguer gratuitement liguer bénévolement liguer avec engagement au au service de la mairie ñun ñep ñu and def ko. donc liñu bëgg collège bagn tambalé won wa waa APR la si ba ba mu tardé mu nek andalé la naa dañ koy agalé bu soobee yalla tali tali karo. bi nga xam day dafay jëlee euh, école euh, école Cheikh Tidiane Anne traversé sant yàlla dem ba mbëkk Médina carte boobu tali karo ñu àggale ko defar ko assainissement dañoo bëgg tali sant euh, tali Léona bi kooku déjà mi ngi dans le dans le budget de 2022 Léona ñu defal leen tali karo bi def ko éclairage solaire ba mu bëtt ci kaw tali ba mu bëtt ci kaw Tali Diallo wax l'extension de école Cheikh Tidiane Anne Dessé nañu ay réseau de d'assainissement Sante Yalla, dessé nañu fi ben réseau Mesere dessé nañu ben benn réseau ak bi nek point euh nek euh Bagdad dese nañu également ben réseau d'assainissement bo xamné boko boo ko jëlee mu dugg ci ñaari mbedd yi nga xamné ni ay mbedd yo yu xaw a ji jafe lañu génnee ci mosquée Al-Ouar dem ci bassin bi boobu également c' est dans les programmations donc li may wax population yi tàmbali nañ liggéey xam nañ lañu la def xam nañ fa ñu jaar ba def ko gis nañ njeexital li man duma jël ku def ba ma gis li may def am na njeexital moo koy remplacer koo xam ni xamul dara koo xam ni mënul dara koo xam ni mësta diriger dara mais regarde les autres les autres candidats Quand moi, mas monsieur le directeur c'est-à-dire que cest dire maire du aussi un apprenti bu diriger dara ne ko kay diriger le maire. mairie di Il di di management da gis nga je ne naa projet au lieu de faire un recommencement un recommencement à zéro où les gens vont venir apprendre où les gens vont venir tâtonner où les gens vont vont venir tout. làmbatu qui est-ce Nous ñu delluwaat ci période avant 2014 avons ci ay inondation nous ci ak une delluwaat ci ay classes une xam du parce que avons def des cours de bagage ñoom xamuñu ko nañu fait réseau secondaire nous xamuñu fait nañu éclairage public xamuñu fait mais ñun ñëw ñu nous, ne pouvons année régler lépp baax c'est vrai il y a le wax naa ko ma ans à côté du président Ablaye Wade Il lu a le yàlla dimbali ma un expert donc de la banque mondiale Dirigé ay euh, superviser ay projet yu à travers l'Afrique de l'Ouest yàlla dimbali je suis directeur général Procène c'est toute cette expérience capitalisée mon la indi commune de de Kaw moo tax ñu mën def li ñu def mais mais mais wax fa dëgg yàlla ne nekkoon adjoint chef de bureau de et cetera yow niko sax chef de division euh, non quand même Lolu lolu lolu bu ci kenn ndax kenn diplôme amna solo mais expérience professionnelle dafa bax. te ñi yeneen candidat yi nekk mairie ji da caare kaw yëpp laa wax yëpp kenn mosu seen nekk maire ña jox xaw na nekk conseil municipal c'était des conseils municipaux absentéistes xamuñu dara ci ni conseil municipal di doxe doxee ña ca des mosuñoo nekk sax conseil municipal ñooñu ko ci jox sa mairie donc dafay ñëw di jàngaat à monsieur le maire yemale nga ñi nga xamante ne ñoo di say adversaire politique ci diwaanu Djiddah Thiaroye Kaw euh, mu di ay ñu di ay candidat ñoom waaye ñenn ci candidat yi dañuy faral di wax benn euh, expression ku fi dëkkul di ñu jiite loolu noo ko gisee. ah man de kenn gën maa dëkk Djiddah Thiaroye Kaw. ma fa gën a dëkk amut. ku gën a dëkk Djiddah Thiaroye ay sa ñetti mbaar man laa footballé kade nekk naa dix ans membre comité directeur ASC Ñetti Mbaar ASC Yëgu membre fondateur ASC Yëgoo la wax presque parce que deuxième année ASC Yëgoo laa dëkk naa Ñetti Mbaar parce que amuñu woon kër dañ doon loué parce que loolu aussi bari na waaw avant am kër dañ doon loué voilà moo tax ma xam moo ñu génne Mousdalifa inondation ñu indi jëdd ña koy wax man ba may nekk di liggéey ci jëdd juddooguñu wala boog xa defaguñu dara jidda defaguñu dara biir jidda caaree ko alors donc euh, donc je considère que lool bu ñu koy wax xañ na ñi nga xam ne dañ jàng ci Dakar ñu dénkaane leen ñoo ñooñu tax ñu koy wax mais man je ne me sens pas concerné par ku fi dëkkul du fi jiite parce que man kenn gënumaa dëkk jidda kenn gënumaa dëkk jidda caaree kaw te la ma def jidda caare kaw amul kenn si ñoom ku ko fi ku ko fi defagul slogan boobu lu ñu war a wax tuuti la parce que am na ñoo xam ni ña ngi seen kër bàyyi ba léegi nag fa dëgg yàlla te loolu gisuma ci ndam ndam lu bari man ay ah, plus euh, dama transformé waaj bi nekkoon sama kër baay def ko def ko sama néegu bopp kooku bis boo ko joxee sa miir lu muy njëkk a def muy wuti kër non il faut il faut il xool baax la ñuy def de ñi naa ko fi dëgg lu ñu jiite amaguñu kër bis boo leen joxee sa mairie nu ñuy lijjantee kër la ñuy wut parce que patre patre ba nekk sama kër bàyyi laa dëkk kooku boo ko joxee kër boo ko joxee sa mairie mu wuti kër ñu ne yàlla def na am nañu kër ba pare génn nañ suñu kër bàyyi kon boo gisee ñu def lépp ji da càgg parce que soxla wuñu xaalisu mairie pour wuti kër soxla wuñu xaalisu mairie pour am oto parce que yàlla def nañ am na ñetti oto balaa ñuy nekk maire ci suñu liggéeyu bopp mais koo xam ne amagul kër amagul oto pantre pantre lañ ko abal néeg bàyyam mu mu mu dëkk jabaram euh, ay doomam différent ci bis boo ko joxee bis boo ko joxee sa maire yi mu may loolu mais je comprends bien je comprends bien Nous ñu sommes si woon jidda Nous sommes ñu sommes jànge fa dëgg amuñu fi attache familiale fa dëgg yàlla mën ñooñu dëkk de en tout cas nous avons une catégorie Nous avons une dafa avons a catégorie. Nous avons une dafa Nous avons dimbali catégorie. Nous avons une jënd seen këru ñu am yoo xam dañ leen a dénkaane si woon jidda caaree kaw pour ñi pour ñuy jàng. atia euh, monsieur le maire sunu dernière question bala ñëw rek a tàggatoo euh, tey est-ce que mën nga ñëw citer rek euh, tey lenn li nga xamante ni moom moo di si politique bi nga am ci maanaam jeunesse su Djiddah Thiaroye Kao wala bu département bu Pikine ndegam da ngay laaj ville bi waaye it li nga xamante ni ñoom ñoo di jigéen ñi. alors nous avons vraiment bien réfléchi sur la question. te biñ defee suñu programme jeunesse On dem vers des ASC On dem vers des associations de jeunes vers des associations d'artistes nous ñun li nous, xalaat ak nous nañ ko gisee loolu lañ peut-être pas am temps de développer, mais j'invite ñi ñuy seetaan ñëpp taper sur internet www Nous allons télécharger le télécharger programme Le programme donc c'est structuré autour de trois grands axes. Le programme de la jeunesse. Bunjekibi, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la question de l'emploi des jeunes, mais je dis plus, plus la question de l'accompagnement des jeunes pour l'emploi. Emploi des jeunes, oui, parce que nous avons prévu de recruter 1000 jeunes dans la ville de Pékin sur la sécurité j'ai parlé tout à l'heure de la police municipale qui en place police municipale jeunes de Pékin qui ont les aptitudes qui ont les donc le premier élément c'est les emplois directs que la mairie va faire le, second emploi donc moi, le concept donc les kiosques ça nous en avons prévu 1000 à travers la ville de Pékin c'est pour des services que des kiosques normalisés que la mairie de Pékin va acquérir donc signer une convention avec des jeunes donc qui ont vraiment des jeunes qui ont bénéficié de formation professionnelle et qui peuvent vendre leurs services là-bas au niveau de ces types de kiosques euh, page euh, internet qui www.cherdien.sn donc et j'ai aussi parlé donc du guichet donc pôle pôle emploi bien nga il va aider les jeunes à élaborer des projets maintenant élaborer projet va parler le suivi de la mise en œuvre de ces de, ces projets on les mettra en relation avec donc les, les, institutions de financement, comme la DER que le président Macky Sall a mise en place, comme le, comme le, comme le comme le, comme le, comme le ADP, me donc pour que nous qui sont qui ont aussi des capacités de financement beaucoup plus grandes que les mairies parce que nous avons les structures de l'État donc nous avons les en répondant à tous les critères d'éligibilité de ces de ces projets là et j'ai aussi parlé donc des 10 000 bourse et aide de formation professionnelle donc que mairie bi et ça c'est pour produire des produits de qualité en même temps donc nous allons aussi appeler à la table de négociation entreprises inex sur tout le territoire du département de Pikine Nous sommes dans le cadre donc de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises la RSE dans la mairie de Pékin man accompagner ces entreprises là entreprises mairie de Pékin pour les jeunes yi sont bénéficiaires de ces 10 000 bourses de formation Nous avons une opportunité de recrutement dans ces entreprises là qui sont sur le territoire de Pékin et qui dans le cadre de la RSE doivent nécessairement recruter des jeunes donc du terroir surtout dans les communes yi nga pour les femmes Vraiment, nous avons de grands projets en ce qui concerne donc, la promotion des produits euh, halieutiques, la transformation des produits halieutiques. Mais les populations de Tcharé gar les populations de Mbao, il y a énormément de jeunes qui travaillent donc, dans la pêche. Il y a énormément de femmes qui travaillent dans la commercialisation des produits de, la pêche et qui ont besoin d'équipements en termes de clés de cessage, en termes de formation et d'équipements donc qui fumage à transformation du, poisson même si Macky a vendu a vendu a vendu toutes nos merbes les débarquements se sont réduits comme pour de comme de chagrin mais nous avons également sur la transformation des produits locaux chaque commune donne une maison de la femme une maison de la femme c'est pour la promotion de la transformation des produits locaux Les céréales locales j'ai déjà Kaw dama faa def maison de la femme Yobu, une vingtaine de femmes à l'institut de technologie alimentaire nous avons fait une formation des formateurs nous avons fait les groupements de femmes di ont cap di capacité donc sur les technologies de transformation donc des céréales locales les technologies de transformation des fruits et légumes donc il faut que le pôle urbain à la création de valeur ajoutée à partir des produits locaux ruraux et ça link avec le marché syndicat donc qui est euh, un grand lieu de déversement de ces produits locaux provenant de l'intérieur du pays def link bi avec marché carré le ni euh, lu légumes yi ni dans les niais donc faut que nous le premier marché de débarquement au niveau de la région de Dakar pour que nous ayons un circuit de valorisation d'amélioration donc de la valeur ajoutée de nos produits locaux Nous sommes femmes de la banlieue les jeunes de la banlieue dinañ avons capter marche marché pour lutter contre la pauvreté et pour générer des ressources à leur profit Monsieur le maire, un message à l'endroit des populations de Djidetiareko, de Pékin, euh, pour euh, un mot de la fin. Un message pour le dire, population de Pékin, population de Djidetiareko, nous sommes à un tournant important. président Macky Sall dafa day euh, élection yi bu nous mu troisième candidature bu dëgëree nous définitivement sa troisième candidature or nous savons le peuple sénégalais mayul woon Abdoulaye Wade la troisième candidature du le président Macky Sall la troisième candidature kon c'est l'occasion historique que la banlieue joue le rôle d'avant-garde du peuple sénégalais que Benno Bokk Yakar duñ am voix dans les douze communes du département de Pékin. parce que c'est ça qui est vrai qui est le vrai enjeu en définitive de ces élections c'est un enjeu de paix c'est un enjeu de stabilité de notre pays on a le président Macky Sall mom day nat fu dolem tol dans la banlieue kon waa banlieue war nañoo jël war nañu jël les devant ba ben liste ben bokk yakar du am ben bat dans les douze communes du département de Pikine de sorte que buñ bu président Macky Sall tiré le bilan xamni ne jarutul may poser troisième candidature mu bàyyi ñoo jàmm. day bàyyee jam, ñu di nek ci jam. l'autre enjeu Aujourd'hui, le département de Pékin retard en termes d'infrastructures et d'équipements sociaux nous nous nous engageons en tout cas pas à résorber tout ce retard mais à moderniser significativement la banlieue avec l'équipe de la coalition et tous les experts toute la matière grise nous nga participer au développement de Pékin à travers nos organes de gestion inclusive de la ville de Pékin. Nous voulons nous un tournant majeur pour transformer radicalement notre département. Parce que Pékin le mérite. Parce que nous, avons, nous en avons l'ambition, mais parce que aussi nous en avons la capacité de le faire. Si nous avons fait dans le, dans le, dans le département de Pékin. C'est à cela, c'est ce message-là que je voudrais que les populations de Pékin retiennent. Parce que, parce que nous avons été le, seul candidat parmi les six candidats à la mairie de ville de Pékin nous avons été le seul candidat à produire un programme Il keneen qui produire un programme il parle dans les généralités Il dégg naa sax qui ko kenn ku ni bu buñ ko falee ba pare lay conseil municipal pour ñu xool lan la nous sommes objectivement dans un face à face fin élection c'est un face à face entre Timbo et Cheikh et c'est l'occasion pour nos amis de la coalition Yewwi Askan nous sommes dans un face à face les jeunes y un mortal combat entre Yewi, entre Wallou et Beno Bokk Yakar. bañ Wallou, moi indirectement nga Beno appeler parce que nous connaissons la capacité de corruption électorale de du régime Bokuyakar. Bokk Yaakaar négliger nous adversaire parce que le peuple de Pékin, les populations de Pékin, euh, il faut les minimiser tous les démocrates ils ont le changement profondément surtout la coalition ils yi nga un combat pour 2024 un combat pour assurer l'alternance à la tête de ce pays au regard donc de l'échec patent du président Macky Sall à la magistrature suprême ñooñu ñëw jàppale eh, noonu la profil tey mu doon dalal ki nga xamante ni moo di monsieur le maire euh, docteur Cheikh Dieng moom mii nag nga xamante ni sax moom moo di maire bu sortant bu ji commune ji de Thiaroye Kaw waaye it ànd ak coalition wàllu Sénégal ngir rek laajte li nga xamante ni moo di ville de Pikine mbokkee xarit yi jaa ngeen jëf di leen jox dig dajee beneen yoon ak beneenub candidat.